Première dame, la plus sénégalaise, première dame de l'histoire de notre nation, Monsieur le, ministre d'État Mbaye Monsieur le ministre de l'économie, des finances et du point, le meilleur ministre de l'économie, des finances et du point de l'Afrique, autorité gouvernementale et locale délégué de quartier, membres de la grande coalition présidentielle, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux de voir aujourd'hui la Première Dame nous rendre visite dans notre commune de Djepol Derkley, une localité qui, sur le plan politique, a longtemps démontré ses prouesses. On considère notre commune, aussi Madame la Première Dame, comme un fief du président Macky Sall parce que tout simplement, vous y avez habité. Et d'ailleurs, votre fils aîné, Amadou Sall, fit le judo. Population de Djepel, Derclay, Castor, Sika, Liberté 5, Bastos, Cité des Eaux, cette visite de la Première Dame vient à son heure. Bien vrai que nous sommes en campagne électorale, mais force est de reconnaître que la commune a bénéficié du PSE avec la CMI, Promoville, bourse de sécurité familiale. Si les réalisations suffisent pour élire un président sortant, ne nous trompons pas, le président Macky Sall sera réélu dès le premier tour. Et d'ailleurs, nous avons fixé la barre haute, la barre de 75% dans notre commune. C'est dans ce sillage que cette population éveillée est plus que prête à écouter n'est plus que prêt à écouter ni suivre les vendeurs d'illusions. Jean-Paul Derclay Castor a décidé de mettre son électorat entre les mains du président Macky Sall dès le premier tour. Femmes et jeunesse de cette commune, sachez que, que ce second mandat vous est destiné. L'autonomisation des femmes étant une priorité absolue pour le président Macky Sall, c'est dans cette optique, Madame la Première Dame, nous avons créé 27 GIE, 27 GIE de 50 femmes par structure. Et nous avons recueilli 12 291 signatures lors du parrainage. Notre objectif est de mettre en vote Le président Macky Sall le président Wade soo une réalisation pour yi autoroute de président Macky Sall aujourd'hui dem projet c'est le seul candidat de leen ma le seul candidat qu'on a pour étudier na ay projet def un plan d'action prioritaire 2019-2023 ministre Amadou Ba ses experts Etujeko, ko càmbar Setko, Yobuko, Yobuko Paris devant le monde des investisseurs fépp ci bi investisseurs yi ministre Amadou Ba projet président Macky Sall nous top. ñu 2800 milliards lay euros président ñeu and ak ministre des finances nous né 2800 milliards de wut pour liguey sénégal ci 5 ans yi monde des investisseurs ñi nga xamné lo tek ñu xol ko xol virgule yi xol point yi yépp ñu xol ñu chambar programme bi ba bari ko 2800 milliards ngay wut mais 7356 milliards lañ lay jox kooku le président Macky Sall kooku aujourd'hui c'est le seul candidat boo xam ay projet taxaw nañu financement bi taxaw nañu mu teg ko ci ne xaaral ma dem jëli wax ak sama waa dëkk ñu joxat ma 5 ans ma ñëw liggéey ko léegi nag 7356 milliards yooyu ñoom ñoo taxaw pour la jeunesse mu ne nag moom deuxième mandat bi muy ñëw di def daf koy jagleel éducation jagleel ko la jeunesse jagleel ko la santé les usines les usines vont s'ouvrir xale yi am liggéey

tous, Parce que c'est un challenge. challenge bon, la première dame de venir au fille. Je de que vous La première dame de venir au fille pour nous donner. Parce que l'élection législative est passée. 1100 voix, mon école différence. Nous avons 3700 voix, nous avons 4700 voix. Donc, nous avons 1100 voix. Est-ce que nous sommes pour, pour l'eau Est-ce qu'on va.

te bu kontaanee dinañu defaral suñu marché Castor bi bu kontaanee dinañu defar suñu terrain bi bu kontaanee dinañu am lycée bu kontaanee dinañu am poste de santé de santé je vous remercie de votre attention merci beaucoup jërëjëf. merci beaucoup merci merci merci merci jërë s'il vous plaît s'il vous plaît population de Castor Derclé. président Macky Sall Dinouyou. Dylan leen di nuyu di leen mobilisation vie. première dame Maria Faisal, Sall a na fi tey qui mobilisation bi alors il faut que population y, population y. s'il vous plaît s'il vous plaît il faut que c'est irresponsable, responsable commerçant yi ak riverains y ngeen toog ñu schéma le numéro de mettre en œuvre une capacité marché permettre aux commerçants de mener correctement leurs activités mais aussi nous avons xam ne dañoo dëkk ci marché bi ñu am toute la quiétude nécessaire pour képp doomu la solution la solution moins ñu New marché bi marché. ko yokk peut-être en hauteur. vos responsables de nous président aussi que le poste de centre de santé de votre outil. il faut que nous dans nan pays des faits. s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît jërëjëf jërëjëf jërëjëf loolu préoccupation population yi la ndax buñ fi ñëwee li ñu président sant mooy nañu xool li seen soxla ñu jéem ci apporter ay réponses et heureusement dans la commune vous avez un expert en développement qui peut aider à identifier ces problèmes et à leur apporter des solutions. loolu de ko mais Rafael toogaayu jigéen ñi est ginnaaw bi ma waxee ci affaire xale mandat président Bidigno. 2019 2023 2024 Inch'Allah.

le président Macky le 24 ñu liggéey gagné bu ngeen di xëy bu ngeen di dem bu leen tontu bu leen histoire def leen li président di def lu muy wane ñu ànd dem côté ji. Le deuxième mandat du président Macky Sall sera un mandat résolument tourné vers la jeunesse et vers les femmes. Le président du lambatu li ma leen wax nii ci ndigalam laa leen ko waxee parce que le 5 avril. et pour que ça soit possible il faut que nous soyons unis comme un seul homme le 24 bien sûr avant le 24 bien continuer le travail de sensibilisation continuer le travail de sensibilisation def du porte à porte les indécis ngeen dem ci ñoom waxtaan ak ñoom pour que au moins ici donc bu ko doon wax soixante-dix mais dafa am lu ngeen dem quatre-vingt lay jël. je vous remercie. ay ca ginnaaw bi nga xamante ne mooy meeting bi première dame ñëwoon dañuy daal di wéyandi ak ñi nga xamante ne mooy famille ñu fekk si fii ci biir Jëppal Derklé bàyyi leen ñu daal di nuyoo ak mbokki internet yu Dakar instant maman maa ngi lay nuyu. Euh, ma fille ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay di leen sant ci interview bi ma nar a interview. tur bi naka la maman ak euh, ban responsabilité nga occupé fii ci Benno Bokk Yaakaar. Euh, man maa ngi tudd Adja ay Paye maa ngi dëkk Dieuppeul 3 nekk ci Benno Bokk Yaakaar wante ci Benno Bokk Yaakaar boobu ñu bokk dañu am suñu benn responsable boo xam ne mooy présidente association des femmes pour le développement local ba pare yore mouvement mag ñu koy wax Xadijatu Seen moom moo ànd sa gannaaw DG directeur port ñu àndandoo di liggéey si commune bi pour la pour Benno Bokk Yaakaar. Euh, soxna si ginnaaw bi nga xamante ne ki nga xam ne moo di euh, soxnaay njiitu réew mi di la première dame Marième Faye Sall fekk si na leen fii nga xamante ne mooy seen dëkku bopp tey lan lay def ci yéen ba njeexital lay def ci yéen. ah sant yàlla lu musul am bu amee dañuy sant yàlla ci biir commune bi. ndax defe naa man mi taxaw commune Jëppal Derklé jëkk Jëppal bi ñu fiy dëgg si c'était en 63 donc defe naa yàgg na musuñu ko am ñu koy sante yàlla bu baax a baax di ko gërëmee nag suñu responsable Benno Bokk Yaakaar li fi nekk rawatina Aboubacar Sadikh bi jërëjëf yaa booy comme ni nga ko waxee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax rawatina yéen mbokki internet yu Dakar instant di leen waxee ne lii lañ fi jëlee woon fii ci Jëppal Derklé di leen joxaat rendez-vous ci beneen manifestation à travers Dakar instant